Man quotidien d'aujourd'hui. Vendredi 19 juillet 2024. Thème d'aujourd'hui. Un souvenir permanent. Un souvenir permanent. Texte lecture. Jérémie. Jérémie. Chapitre 35. Jérémie chapitre 35. Jérémie chapitre 35, Nous à partir du verset 2 à 10. Jérémie chapitre 35. Jérémie 35, Nous à partir du verset 2 à 10. Va à la maison des recabites et parle-leur. Tu leur conduiras à la maison des dans une, dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je prie jazamnia le fils de Jérémie, et fils de Habzinia, ses frères et ses filles et toute la maison des Rechabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de euh, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de euh, Maseja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison de Rechabite des coupes pleines de vin et hmm. des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Recab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne semerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne. Et vous n'en posséderez point. Et vous n'habiterez sous des tentes toute votre vie afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étranger. Vous obéissez à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rekab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Verset 8. Verset 9. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons ce que nous a prescrit Jonadab, notre Père. Verset 13 à 19. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va dire, va aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevez-vous pas des instructions pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel On a observé les paroles de Jonadab, fils de Recab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur Père, et moi je vous ai parlé, et je vous ai parlé dès le matin, et vous m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dans le matin pour vous dire, revenez, revenez chacun de vous. Revenez, revenez, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous m'avez pas écouté. Oui, les filles de Jonadab, fils de Rekab, fait l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout malheur que j'ai annoncé sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils ne m'ont pas répondu. Jérusalem, et Jérémie dit à la maison de Rekabite, ainsi, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé oh, tous ces commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab fils de ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Amen. Le verset clé, c'est le verset 19, qui dit, à cause de cela, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, le fils de Rekab ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Amen. Les hommes font beaucoup de choses pour tenter de laisser leur empreinte sur le sable du temps. Comme Absalom, certains érigent les monuments Emblématique pour que l'on se souvienne de leur nom, selon 2 Samuel chapitre 18, le verset 18. D'autres donnent leur nom à des rues et à des propriétés, alors que leurs actions reflètent la vanité de la vie. La parole de Dieu dit que la mémoire du juste dure toujours. La mémoire du juste dure toujours. Notre test met L'accent sur l'obéissance sincère des Kabites au commandement de leur père de ne pas boire du vin et de ne pas avoir des maisons permanentes. Cette obéissance opposée à la désobéissance des enfants d'Israël aux lois de Dieu, qui, qui reconnaissaient publiquement contre leur père. En réponse, Dieu bénit la postérité de Jonadab et raffirme son intention de punir la nation de pécheresse. L'étude montre que l'obéissance est toujours le chemin vers une bénédiction durable. Elle décrit également les étapes qui mènent aux bénédictions généralement. Tout d'abord, l'importance de l'orientation ou de suivi parental. Jonadab doit avoir exercé une réelle autorité sur ses enfants pour qu'ils fassent de l'obéissance une tradition familiale. Deuxièmement, les Rukabites ont dû utiliser les traductions orales pour transmettre les instructions de Genadab aux générations futures. À, l'ère du monde numérique, les parents et les grands-parents peuvent utiliser plusieurs appareils pour enregistrer, préserver et partager la vérité de l'Évangile avec les membres de la famille. Enfin, les Rukabites ont reçu le test d'obéissance administrée par Jérémie. Par conséquent, ils sont devenus un point de référence, un souvenir perpétuel de la leçon d'obéissance. Un prédicateur a un jour résumé le principe de notre obéissance à Dieu est en ces termes. Il dit, Le chrétien doit viser cette obéissance complète à Dieu dans laquelle nos vies trouvent son plus grand bonheur, son plus grand bien, sa consommation parfaite et même sa paix. Cela reste un défi pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous devons nous engager à obéir pleinement à la parole de Dieu. À tout moment et à toute situation, un tel acte d'obéissance nous rapprochera dans, sous, sans aucun doute de Dieu et attirera les bénédictions de Dieu sur nos vies et même sur notre postérité. Amen. Pensez du jour. Les voix de l'obéissance brillent d'une bénédiction générationnelle. Les voix de l'obéissance brillent d'une bénédiction générationnelle. La Bible a un nom. Exode chapitre 8 à 11. Exode chapitre 8 à 11. Amen.